roulant, vous avez la locomotive qui est euh, l'aspect le plus important parce que c'est elle qui tire les wagons derrière. Et en termes de wagons, vous avez les wagons plats qui prennent les conteneurs, vous avez les wagons citernes qui transportent les hydrocarbures comme le pétrole. Mm. Vous avez les wagons ouverts qui souvent sont utilisés pour les minerais. Mm. voilà on l'a dit, vous travaillez dans ce projet-là avec le port de Dakar. L'objectif, c'est quoi C'est de relier Dakar à Tambacounda dans un premier temps je, pense que la Société nationale des chemins de fer, euh, au même titre que le port ou la Sénélec, est une, est une des grandes sociétés nationales qui euh, gère un aspect du patrimoine national. En ce qui nous concerne, nous gérons euh, le patrimoine des chemins de fer du Sénégal depuis 1960, hormis le patrimoine que nous sommes en train de constituer dans le cadre du projet Terre, mmh. donc des, quelques 47-50 kilomètres qui vont relier Dakar à, l'aéroport AIBD. Euh, Ça, nous avons, l'État a voulu, euh, avec ses partenaires investisseurs, euh, instituer une société de patrimoine distincte mmh. parce que ce ne sont pas les mêmes investisseurs disons, qui s'intéressent à cela. Mais nous, nous gérons aujourd'hui quasiment 99% euh, euh, des actifs euh, constitués par le Sénégal depuis 1960. Vous, vous, gérez les, actifs, mais on revient juste sur ces, locomotives qui ont, qui ont été acquises. c'est quel type de transport vous, vous, vous visez ici ce, sont les deux types de transport. Je pense que un État ne peut pas ne pas s'intéresser, ne peut pas ne pas être présent dans euh, euh, la mobilité des personnes. C'est évident. Je crois que l'investissement du terre le prouve à dessein. Nous sommes dans un, autre type de euh, mobilité en train de construire le BRT. Et là également, il est clair que sur les voies des chemins de fer du Sénégal entre Dakar et nos frontières de Kidira ou Touba, l'État du Sénégal, euh, bien sûr, euh, euh, investira et à la fois dans le transport de, personnes, de voyageurs, mm. mais aussi fondamentalement dans le transport des marchandises. Parce que vous le savez, structurellement, le transport de personnes et de voyageurs est déficitaire. Et donc, dans les modélisations économiques du chemin de fer, c'est le transport des marchandises, donc si vous le voulez, du fret, qui permet de, d'équilibrer un peu les déficits qui sont faits sur le transport des voyageurs. Mhm. Donc vous avez, vous, le sentiment qu'avec ce, chemin de fer-là qui, qui, renaît, mhm. c'est locomotive qu'on, vient d'acquérir, que c'est un pas important qui est, en train d'être euh, franchi dans le cadre du maillage pour le mass transit de manière générale au Sénégal vous savez que l'un des outils les plus puissants en termes d'efficience de, de l'aménagement du territoire, ce sont les chemins de fer. Donc, je crois que depuis son arrivée à la magistrature suprême, le président de la République a porté cette vision-là. Le président Macky Sall a porté cette vision d'une mobilité portée fondamentalement par le chemin de fer. Mhm. Vous le voyez devant vos portes, l'embouteillage qui chantier euh, du quotidien. Non, au-delà des chantiers du BRT, je pense que aussi il y a une restructuration euh, euh, des, des, outils, des infrastructures de mobilité à mettre en place. Il y a quelque chose de structurel. Ça ne peut pas être que du conjoncturel. D'ailleurs, Monsieur <laughs> Gary, l'État mène les chantiers du BRT pour répondre à ce déficit euh, de, la mobilité. Donc, je pense qu'à terme, très rapidement, euh, comptant sur euh, le CETUD et les équipes du directeur général du CETUD, on arrivera à une infrastructure du BRT qui va aussi améliorer la, la mobilité à l'intérieur de Dakar, mais aussi entre Dakar et sa banlieue, et une partie de sa banlieue qui n'est pas concernée par le terre. Donc là également, l'État poursuit ces principes, ces objectifs d'égalité entre les citoyens que la Constitution. L'équité sociale. Équité, tout simplement, égalité. L'équité mm. entre les territoires est un objectif d'un État. L'équité sociale est un autre objectif d'un État. Mais là, il s'agit surtout de poursuivre, dans la vision du président de la République, c'est qu'il voudrait que tout Sénégalais, où qu'il se trouve, puisse accéder à des outils de mobilité ou à des infrastructures euh, euh, euh, de mobilité assez performantes. Là, dans le cas du BRT, je pense que nous avons ce souci-là parce que le terre ne touche pas une certaine partie de la banlieue de Dakar et je pense que le BRT répond à, cela aussi. et le chemin de fer ira beaucoup plus loin, jusqu'à nos frontières, jusqu'à Touba, jusqu'à Kidira. Vous assurez la, la, déserte pour les régions de l'intérieur. Vous avez parlé d'outils de, de, transport moderne, le mhm. chemin de fer euh, du Sénégal. Est-ce que vous vous êtes inscrit dans cette, euh, dans cette voie-là d'avoir de, euh, des outils de, type futuriste, par exemple Puisque les wagons, il y a des gens qui se posent des questions un peu sur la configuration de ces locomotives plutôt, autant pour moi. Non, les, les, les locomotives, d'abord, je voudrais rappeler que dans la vision du chef de l'État, ce que nous, directeurs généraux des entités de transport ou d'infrastructure de transport du Sénégal faisant, qu'il s'agisse de la Géroute, qu'il s'agisse du CETUD, qu'il s'agisse de la Sainte-Terre, qu'il s'agisse de nous-mêmes, directeur général des chemins de fer du Sénégal, M. Ngari vous l'avez vu, vous avez des images qui, elles, appartiennent au passé. Ce que nous, nous faisons, de visu, de tout le monde, c'est la modernité. D'abord, ça c'est la première chose. Je pense que ça, personne ne le discute. On sait que le BRT c'est moderne, le TR c'est ultra moderne. mais chemin le chemin de fer, du Sénégal, c'est locomotive. Il est Vous avez vu les locomotives. Nous avons d'abord la flotte la plus puissante désormais. C'est-à-dire l'État du Sénégal a une flotte plus puissante que celle des miniers, qui ne sont pas des pauvres. <laughs> Je vous ai dit, nous avons un équipement de six locomotives. Les trois sont déjà arrivés, mais avec trois déjà, nous avons la flotte la plus importante la plus neuve, la plus moderne. Et Ça, c'est pour assurer quel dessert le, minerai ou... Euh? J'en arrive d'abord sur ce sujet-là. C'est important. Ensuite, c'est qu'il faut dire qu'en matière d'infrastructure, de choix, de type de rail ou de voie, définitivement, vous l'avez vu dans le cadre du projet qui est construit avec le Canada, mais au-delà du Canada, avec les pays industriels du G7, puisque c'est un accord de gouvernement à gouvernement dont le but est de répondre à cette équation fondamentale, ancienne, récurrente de la garantie. Parce que l'investissement du chemin de fer est un investissement extrêmement lourd, qui fait que souvent l'équation pour les États se pose sur la problématique de la garantie. C'est pour ça que le président de la République est en train de mener des discussions et en train de travailler. Je dirais même qu'on nous n'en sommes plus aux discussions. Je pense que dans les semaines à venir, le chef de l'État aura, comme il l'a fait, à chaque étape, d'autres grandes nouvelles à annoncer au peuple sénégalais sur ce grand projet d'infrastructure avec du standard. Avec du standard, vous avez... Euh, Monsieur Faye, avant que je n'arrive à ces responsabilités, on parlait de réhabilitation de l'ancienne voie. C'est ça le passé. Le président de la République a considéré, nous-mêmes, génération suivante, la sienne, qui n'était pas de notre challenge, de refaire ce que la colonisation nous a laissé il y a 100 ans. Mhm. Et donc, nous, le chemin de fer du Sénégal s'inscrit dans le standard et donc dans la même continuité, du même type de technologie de rail que le terre. Mhm. C'est cela, la réalité. Vous avez décrit tantôt un, tableau sombre hein, de ce qu'il y avait euh, et encore quelques années derrière nous, vous avez le sentiment aujourd'hui que les, choses bougent. Quelle est euh, aujourd'hui la valeur ajoutée que vous avez apportée dans ce secteur, la plus-value Nous n'avons pas le sentiment que les choses bougent. Nous savons que les choses bougent et nous prouvons aux Sénégalais que les choses bougent. C'est ça qui est important. Je pense que l'élément de langage est très, très important. Euh, dans nos magistères, nous n'en sommes pas. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas à la rigueur même. Je ne dis pas que nous n'avons pas la faculté de réfléchir et de penser. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'opérer, c'est d'agir. Moi, directeur général des chemins de fer, j'ai travaillé dans la vision du chef de l'État, dans les instructions des ministres de la, tutelle mhm. de Mansour a trouvé des locomotives de dernière génération. Et c'est ça qui a été exposé, M. Garifay. Et, je vous dis que ces locomotives sont beaucoup. Nous avons une flotte aujourd'hui plus puissante. Le peuple sénégalais, la nation sénégalaise, mhm. l'État du Sénégal a une flotte beaucoup plus puissante que celle des miniers. Mhm. Et les miniers, ce ne sont pas des pauvres. Et de quoi s'interroge le coût de la location de ces... De ces... C'est Comment ça a été monté C'est simple. Vous avez deux options. Soit vous faites un chèque de 12 milliards, par les temps qui courent, par la conjoncture, une chose, choses. C'est à vous de voir à ceux qui critiquent. Soit alors vous faites la même acquisition, mais selon un modèle de leasing. Mais ce leasing-là, en quoi il est, euh, disons, atypique, c'est qu'il intègre la formation. Au moment où je vous parle, vous avez dans ce pays des équipes techniques sud-africaines qui nous accompagnent dans le rehaussement du plateau technique. Vous l'avez vu également que les ateliers de Thiès ont été réhabilités. Nous avons besoin de cette assistance technique. Nous en avons besoin d'abord parce euh, que le chemin de fer sort d'une longue crise de plus de 5 à 6 ans. Ce n'est pas méconnaître les acquis académiques de ceux, de celles qui ont jusqu'ici fait le chemin de fer du Sénégal. Mais c'est de dire tout simplement que durant les 5, 4, 5, 6 ans durant lesquels nous avons été en crise, le chemin de fer dans le monde a avancé. C'est pour ça d'abord qu'il y a de l'assistance technique là-dedans. Ensuite, vous avez l'aspect qui souvent plombe euh, les chemins de fer en Afrique, c'est l'accès aux pièces détachées. Vous avez forcément des pièces d'usure. Monsieur euh, euh Lorsque vous utilisez votre voiture, forcément, à un moment donné, il faut, il faut, il faut changer les plaquettes de frein. Forcément, il faut changer ceci, ça. C'est de l'usure. Et souvent, nos chemins de fer africains, souvent les locomotives et le matériel qui est extrêmement cher tombent en désuétude parce qu'arrive un moment où nous n'avons pas prévu euh, euh, la manière dont nous devons accéder aux pièces en rechange de manière euh, diligente et de manière rapide. Et ça aussi, ce modèle de leasing l'intègre. Et donc, au bout du coup, le coût est étalé sur 48 mois. Euh, euh, voilà, et au bout des 48 mois, nous avons fini de payer ce que nous, nous devrions, ce que si nous le voulions. Vous aurez fini de rentabiliser ou bien la rentabilité Non, la rentabilité et l'acquisition et le fait de nous euh, de, de, payer ces locomotives, c'est deux choses différentes. La rentabilité après, ça dépend des modèles économiques, c'est ce que je vous dis. Mais au bout de deux faut faire... vous allez devoir euh, retourner... Oui, bien sûr que... Euh, d'abord, je voulais être clair sur... J'espère que vous avez compris quel est ce, système, ce mode de financement qui a permis, parce que je pense aussi que quand, lorsque nous sommes des entités publiques dans un pays et que nous sommes à quasiment pour le chemin de fer, nous sommes sur le marché. Quand je dis marché, le marché en tant que privé. Euh, alors, nous devons, même entité nationale, chercher des solutions qui soulagent les finances publiques. C'est ce que nous devons faire. C'est là où il y a l'intelligence économique. Ce n'est pas souvent de solliciter le budget national. Euh, euh, vous n'allez pas solliciter le budget national, vous allez être résilient en tout cas, nous travaillons à ce que les chemins de fer, petit à petit, puissent être euh, euh, euh, financièrement indépendante. Mm-hmm. Et je vous rappellerai, vous savez, parfois je suis jaloux de mes prédécesseurs, de mes aînés, de mes oncles, qui me disent souvent que par le passé, le chemin de fer, rappelons-le aussi, parce que le rappeler, c'est être juste, que pendant des décennies, le chemin de fer tous les mois a contribué au budget national. C'est très important. C'est le budget national qui contribue au chômage. C'est un retour d'ascenseur. Depuis quelques années, c'est le cas. Mais mon objectif est de mettre et de diminuer cette, euh, euh, contribution-là. Mais je pense que la contribution de, l'État, on peut le dire, hein, est essentiellement sur euh, les salaires et le fonctionnement. Donc, en termes d'investissement, vraiment, on travaille selon certains mots. D'accord. Vous êtes arrivé dans un contexte très difficile hein, de, parler Dakar, euh, Bamako, ferroviaire. J'imagine que tout ça est derrière, que le Sénégal a les coups des franges pour pouvoir développer bah, Ses, propres projets. D'abord, d'abord, à nos âges, mm. euh, c'était le défi humain était apprendre. <laughs> c'est ce qui donne un sens à la vie d'un homme. Vous l'avez rappelé, c'est difficile, ça a été difficile. Je pense que ça sera de moins en moins difficile, bien sûr avec le soutien globalement de, l'ensemble du peuple sénégalais, parce que je me souviens que la loi, vous l'avez dit, je suis arrivé par le, biais de Dakar Bamako Ferroviaire, qui est euh, la structure des chemins de fer communes aux deux États du Mali et du Sénégal. Donc, quelque part, j'étais à la fois haut fonctionnaire de la République du Mali et haut fonctionnaire de la République du Sénégal. Bien sûr, candidature portée par le chef de l'État, le président Macky Sall, auprès du gouvernement malien à l'époque du président euh, euh, Ibrahim Boubacar Keïta, dont je salue la mémoire. Mhm. Mais depuis, nous avons recommandé une réforme institutionnelle qui a permis au Mali de se doter à nouveau d'une société nationale de chemin de fer, qui est la consoeur de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, qui s'appelle la SOPAFER. Et aujourd'hui, le président a voulu, euh, avec l'approbation du gouvernement, des, des ministres de la tutelle, dont je salue euh, euh, euh, le soutien et l'estime, que je puisse continuer comme directeur général de, cette nouvelle Société nationale des chemins de fer. Donc, je continue dans ce challenge-là. C'était difficile, beaucoup plus difficile hier. Ce n'est pas totalement... Toute difficulté n'est pas définitivement levée, mais je pense qu'avec ces résultats-là qui sont visibles, on a, on a beaucoup plus aujourd'hui d'espérance parce que ce sont les locomotives qu'on ne fabrique pas en Afrique. En général, l'Afrique du Sud, si on considère que, bon, c'est un <laughs> pays, il ne faut pas rentrer dans le détail, dans notre niveau de développement, dans le réarmement des chemins de fer, ce qui pouvait me poser le plus problème, c'est l'accès à la locomotive qui est la matrice du matériel roulant. Bon, pour le reste, les rails, nous avons aujourd'hui une expertise nationale. Je dirais même que l'expertise nationale en matière de rails de ce type métrique je vais vous surprendre, n'est qu'au chemin de fer du Sénégal. Vous voyez, euh, parfois il arrive à des gens de vouloir faire des appels d'offres et que les appels d'offres soient infructueux parce que l'expertise, la compétence est dans les chemins de fer du Sénégal. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, les rails vont... Je pense qu'il n'y a pas. Le seul, euh, la seule crainte que nous avons, on a partagé dessus tout à l'heure, mm. c'est cette forme de vandalisme euh, des rails. Je pense que vous verrez les images. voilà, les gens qui démontent parfois les rails pour les vendre. Euh, comme de la ferraille, etc. Je pense aussi, c'est pour ça que nous avons besoin d'une, euh, disons, d'une coalition nationale, patriotique, pour remettre à nouveau à pied les chemins de fer du Sénégal, mais aussi pour que chacun des Sénégalais s'en sente responsable et protège ces chemins de fer-là. Vous avez vu que l'investissement-là n'est pas facile. Et si c'était facile, ça fait 30 ans que les gens cherchent des solutions. Je pense qu'à un moment donné, quand quelque chose est fait, euh, euh, euh, est faite, il faut que chacun des Sénégalais se sente que c'est lui d'abord, c'est lui qui gagne, c'est le Sénégal. À, l'évidence, surtout. Et pour ça qu'ils estiment que ça ouvre une nouvelle ère du chemin de fer au Sénégal, forcément partager cet avis-là. Non, mais il est clair, hein, vous voyez un peu, c'est unanime. Hein, je pense que dans la vie, généralement, les gens sont bon esprit, les gens sont bienveillants. et, en général, tout le monde sait que nous avons ensemble, nous venons euh, euh, de passer un nouveau, euh, un nouveau cap. Et, je, vous, je, voulais vous le dire, et ça m'a échappé, même cette loi de création de la nouvelle société nationale du chemin de fer, dans les débats à l'Assemblée nationale, on a vu une, une, cohésion nationale. Elle a été votée à l'unanimité parce que tout le monde sait que ce sont des questions, c'est une question fondamentale du développement vous l'ai dit, moi j'ai dû marcher à pied pour venir vous voir. Donc vous vous imaginez les gens qui perdent leur rendez-vous par jour parce que la mobilité est un problème, etc. La mobilité de, ces, de, cette production agricole de la Casamance demain, si la Casamance avait accès au rail, cette mobilité de certaines régions jusqu'à Kidira qui sont très grandes productrices d'arachides, l'arachide qui est au cœur du développement agricole, etc. Donc vous voyez tout ce que le chemin de fer peut apporter. Je vous dirais d'ailleurs que le chemin de fer est né pour être l'outil de mobilité de la production agricole, essentiellement de l'arachide pour cette partie du Sénégal, du coton et, du cacao pour euh, euh, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, pour l'autre axe euh, qui, relie Abidjan à Ouagadougou. sous la colonisation déjà. Donc, moi, globalement, je, je, considère que nous devons aujourd'hui remobiliser tous ensemble, nous remobiliser en tant que Sénégalais, Sénégalaises, pour que cette industrie, qui est la colonne vertébrale du développement. Vous avez parlé d'équité. J'ai voulu être beaucoup plus précis en parlant d'équité territoriale, en parlant d'équité sociale. en parlant d'équité sociale, je pense à l'emploi, je pense au grenier d'emploi, au grenier, parce qu'il nous faut aujourd'hui la structure de notre démographie, nous n'allons pas rentrer dans ça, fait que nous avons beaucoup plus de jeunes que de personnes âgées et surtout de personnes qui contribuent, qui cotisent pour la retraite des autres. Donc nous avons un déséquilibre même de nos comptes sociaux qui font que nous avons besoin, euh, et c'est ça la vision du chef de l'État, d'engager de, d'engager de grands projets de développement qui puissent être pourvoyeurs d'emplois massifs en nombre. Et parmi ces projets, il y a certainement ce projet-là que l'État du Sénégal va développer avec le Canada. C'est près de 3 milliards d'euros, c'est énorme. Déjà, dans le cadre euh, de la réparation des voies ferrées et de la réhabilitation des bâtiments qui sera engagée dès le, début du mois prochain, là également, avec le soutien des entreprises qui y croit ?– Le secteur privé le Secteur privé. Monsieur Garifay, s'il ne voyait pas les locomotives. Sont engagés S'ils ne voyaient pas les locomotives, comment allez-vous les convaincre de vous construire les routes ferroviaires sur lesquelles devraient rouler les locomotives ne le elles ne le feraient jamais c'est parce qu'elles voient, c'est parce qu'elles ont vu qu'elles s'engagent. C'est parce qu'elles savent que l'investissement financier, l'investissement en termes euh, d'apport euh, euh, technique, de matériel qu'ils peut faire, bien sûr, avec l'application, avec l'implication, je vous l'ai dit, des chemins de fer du Sénégal. Parce que les techniciens qui connaissent ces voies-là, M. Ngarifay, ils sont tous au chemin de fer. C'est eux qui le savent. Mais ils, ont, ils avaient besoin aussi de l'appui d'autres entreprises internationales et nationales. Et ça, euh, euh, nous l'avons euh, déjà, le président de la République a pu régler cet aspect des choses. Et au début du mois prochain, la bataille de la voie ferrée sera engagée. Mhm. Donc, c'est de dire qu'une nouvelle ère, clairement, c'est ouverte pour le chemin de fer du Sénégal. Et vous l'avez dit, ça, c'est pour la période de 3-4 ans qui sera nécessaire pour construire la nouvelle voie standard. Vous me parlez d'entrer dans le futur. Le chemin de fer du Sénégal ne parle plus de réhabilitation de l'ancienne voie métrique. Nous, nous parlons de standard et le projet avec le Canada et les pays du G7 qui passe par cette initiative qui est le Build Back Better World, reconstruire un nouveau monde qui est porté par les États-Unis, la France, l'Angleterre, le Canada, pour dire nous venons en soutien aux États africains pour qu'il se dote d'infrastructures majeures, essentiellement d'infrastructures de transport. Et c'est cela que le président de la République, Macky Sall, est en train de construire avec le Premier ministre Justin Trudeau. Et le futur chemin de fer, euh, dans le cadre de vos perspectives, c'est quoi dans les quatre ans qui viennent Moi, je suis adepte de qui peut le plus, qui peut le plus peut le moins. Je répète, je suis adepte de qui peut le plus vous, le plus dur a été fait Peu le moins. Avant d'en arriver à la livraison de ce grand projet d'infrastructure du Dakar-Tamba Fast Track de près de 3 milliards d'euros, construit avec, euh, euh, qui est en train d'être euh, élaboré avec le Canada. Mais j'ai dit au-delà du Canada, les gens ne le disent pas suffisamment. Je le dis pour être juste, pour être équitable. Il y a aussi les États-Unis là-dedans, fortement. Il y a aussi la France, il y a aussi l'Angleterre, croyez-moi. Et pas la Chine bah, la Chine n'est pas dans l'initiative Build Back Better World. Mais ça ne veut pas dire que dans l'exécution du programme de construction, que la Chine ne sera pas impliquée. Vous connaissez la vision du président de la République, vous connaissez sa personnalité. Je pense que chez moi aussi se dévoile ici, avec les Sud-Africains, sur ce programme-là, une ouverture à tous les partenaires qui peuvent nous aider. Donc nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Mais là, je parlais surtout euh, dans la constitution de, l'emprunt de, 3 milliards et de la garantie qui doit porter l'emprunt. Mm. Mais, mais, je, venais surtout pour vous dire que la relance des chemins de fer, pour moi, c'est déjà aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, nous avons réceptionné euh, ces nouvelles locomotives. C'est pour ça que nous engageons au début du mois de mai les travaux de réparation de la voie actuelle. C'est pour ça que très rapidement, les trains circuleront sur l'axe la question que j'allais vous poser, quand est-ce qu'elles vont ces locomotives-là rouler pour la première fois Bon, souvent, vous savez, un homme d'État ne doit pas rentrer dans les détails, vous le savez. Mais dans le cadre de votre planification, vous devez avoir... Euh, ce n'est pas indiqué. homme d'État, ce n'est pas par manque de transparence, doit toujours rester dans la nuance, mais dans, dans, dans, la réalité de la nuance. Parce que même la nuance a des règles. donner une fourchette de temps. Quand même. Ce sont les techniciens qui peuvent valablement répondre à ça, mais les fourchettes sont claires. Par exemple, lorsque les locomotives arrivent au port, là, comme cela, il faut que les locomotives sortent puisqu'elles sont neuves, il faut qu'elles soient préparées. Il faut un délai de 7 à 8 semaines pour préparer. Vous voyez que c'est lourd pour ça que les équipes sud-africaines, vous les avez vues avec nous au port, qu'elles sont là pour préparer ces locomotives déjà pour qu'elles commencent à fonctionner. Durant cette période-là, ce que nous avons dit, ce que j'ai dit l'autre jour, en compagnie de mon grand frère du port, c'est vrai, sa présence se justifiait parce que euh, une des fonctions fondamentales du chemin de fer, du train, c'est de décongestionner le port. Et d'ailleurs, je vous rappellerai que le chemin de fer est né en même temps que le port de Dakar. Donc les gens étaient déjà dans euh, l'intermodalité. Le bateau amenait, le chemin, le rail prenait pour amener jusqu'à Koulikoro au Mali. Mm-hmm. Et donc chaque locomotive que vous avez vue peut tirer et remplacer 55 camions. Chaque locomotive, Monsieur Ngari peut remplacer 55 camions, car chaque locomotive peut, et chaque train, c'est 55 camions. C'est déjà pour vous dire l'importance de l'outil en matière de décongestion. Maintenant, dans la modélisation, dans l'objectif, dans la planification, le premier objectif, c'est de commencer déjà à décongestionner le port euh, sur la plateforme de, Bel Air, par exemple, où vous avez des zones de stockage. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les entreprises maritimes qui viennent, parfois font le choix de ne pas venir à Dakar parce que lorsqu'ils amènent des conteneurs, le temps de reprendre les conteneurs vides ça prend du temps. Parce que c'est le camion qui ramène. Voilà des questions très simples hein, pour les compagnies maritimes et qui leur permettent d'arbitrer entre le port de Dakar ou le port d'Abidjan ou le port de Kribi ou le port de San Pedro. N'est-ce pas Donc, ça veut dire que vous voyez bien que ça, ça a une utilité. Ensuite, nous engageons notre voie ferrée. Elle est opérationnelle aujourd'hui, elle est déjà euh, euh, euh, faite. Et je vous dirai que nous avons mis 40 milliards entre Dakar et, et, dans le cadre du projet Terre, la voie métrique a été totalement rénovée entre Dakar et Diamniadio. Il mm. faut que les gens le sachent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les trains miniers circulent déjà entre le port de Dakar et euh, euh Et cette année, les deux compagnies euh, euh, minières, que sont les ICS, qui sont essentiellement dans le phosphate, que, GCO, Grande Côte Opération, qui sont des miniers liés à, la multinationale Eramet, qui font du zircon, feront cette année au minimum 1,5 million de tonnes qui ne vont pas passer par la route, qui vont passer par le chemin de fer. Ça, c'est avec leur propre flotte de locomotives. Mais, imaginez... Votre, flotte, elle est imaginez, à partir de quelle période notre flotte, elle est opérationnelle à partir du moment où euh, euh, les Sud-Africains auront fini de préparer les machines et, elle pourra... donner quand même un deadline il, n'est pas. Dans le cahier de charge des Sud-Africains, euh, c'est quoi le deadline Oui, non, mais ce n'est pas ici. Pardonnez-moi. Vous leur donnez pas de euh, deadline Pardonnez-moi de ne pas être dans, euh, dans ce type de démarche-là. Parce que souvent, ça vous rattrape. Et ça vous rattrape parce qu'il y a des. Vous l'avez dit, vous avez vu des gens qui disent non, non, non. Bon, alors d'autres diront non, il faut amener des locomotives qui volent. Là, ah, le DG va <laughs> dire ça, on va dire non, mon Non, moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez vu des locomotives qui sont arrivées. Vous savez que ça vaut ça prendra... Euh, vous savez que c'est beaucoup d'investissement. Absolument. Donc, vous savez également que vous avez vu les équipes techniques sud-africaines qui sont en train de... Euh, je vais vous donner un exemple. Même les, les, les, grues qui peuvent soulever ces types de machines-là, mm. elles viennent du Maroc. Mm. Monsieur Ngarifaï, Les grues qui peuvent soulever ce type de machines extrêmement lourdes, elles viennent du Maroc. le, Maroc les a fait venir de quelque part, forcément. Le Maroc ne les a pas Elles viennent du Maroc, non, parce que si vous, vous étiez dans ça, vous n'allez pas laisser votre matériel si vous n'avez pas d'activité quelque part. Donc ça veut dire que même pour, je veux vous dire quelque part, tout le travail important toute la mobilisation internationale qui est derrière pour remettre le chemin de fer, c'est pas n'importe quelle industrie. C'est une mastodonte. Lorsque les mastodontes tombent, c'est très difficile de les relever. c'est pour ça que cette fois-ci, je propose à mon peuple, et je vous propose à vous, <laughs> qu'une fois que la mastodonte va être relevée, faisons de sorte qu'elle ne retombe plus jamais à terre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Kibil directeur général de la Société nationale de chemin de fer du Sénégal. Un plaisir. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup. Merci. Até mais. jeudi 21 avril 2022, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Sering Baycham, préside le lancement du projet de renouvellement du collecteur ANFAN fan de 100 km de réseau secondaire et tertiaire avec acquisition d'équipements spécifiques de diagnostic et de curage. Un projet financé par l'État du Sénégal en partenariat avec la Société Générale et ICIEC. E L'événement est prévu au terrain Hariala de Grand Yoff. Avec le renouvellement intégral de toute la partie gravitaire du collecteur, avec un nouveau tracé sans empiètement ni libération d'emprise, les conditions de vie et de santé des populations des communes de Fan.e, Amitié, Grand Dakar, Biscuiterie, Mermoz, Sacré-Cœur, Sicap Liberté, Dieuppeul, Derclé, Grand Yoff, HLM sont améliorés de façon significative. Avec ce projet, le réseau d'assainissement des huit communes traversées par le collecteur Anfan Fan est renouvelé et densifié et les moyens d'intervention de l'ONAS renforcés. Vous êtes toutes conviées au lancement de ce projet jeudi 21 avril 2022 au terrain Hariala. ONAS, l'assainissement pour un meilleur cadre de vie. ginnaaw càmbaraat gu mujj bu liste électorale yi jëm ci tànneefu député yi bu fanweeri fan ak benn ci weeru sulet atum 2022 doomi réew mi ñi defoon demande ci commission administrative yi ñu ngi leen di woo ñu dem xooli ji coppite yi ci ko ci liste électorale yooyee ñu gum liste yooyee dina jàppandi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril bi atum 2022 ci biir réew mi yépp ci maire yi préfecture yi sous-préfecture yi ak ca bitim réew ca ña fa toogal nguur gi bépp doomu aadama bu ñu fàtte wala koo xam ni coppite yi mu bëggoon defaluñ ko ko wala mu seetlu ci ay njuumte wala mu gis ne dañ koo génne am na ñetti fan li ko dale fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi atum 2022 jëlal sa récépissé ngir dem jano baa nga jaaree ci ndawal Sénat njiitu tribunal d'instance wala kilifa mission diplomatique wala consulaire bi ñu ko dénk ngir ñu mën laa delloo sa yelleef su fekkee yoon may na la ko sama carte sama baat Bonsoir fidèles amis téléspectateurs, nous avons toujours un réel plaisir de les accompagner un rendez-vous de tirage c'est loto jackpot 456 on est le mercredi 20 avril 2022 nous avons une très belle somme de 31 500 000 francs CFA.